ci ci préparatifs ak depuis le début de légui ndax avons commencé annoncer euh, très tôt dañu organiser ay CDD ak CRD avec les autorités administratives et locales Nous am un plan d'action bu pour ni pour nous euh, organiser nous gi ci anam Euh, li ci gën a gën a am solo ci ren mooy taxawaayu ministère de la santé parce que euh, ci contexte bi bu ñu demee dañu taxawal benn dispositif sanitaire dispositif sanitaire boo xamante dafa nekk dispositif bu inclusif parce que acteur yëpp dañu dajee ci biir dispositif boobu ministère de la santé ñëw appuyer ñu pour ñu mun a xam nan la ñuy euh, organiser gàmmu bi ci euh, côté bi nga xamante mooy côté santé ba lépp lu luñ ci lépp loo xamante ragal nañ ko ci incha allah loolu mu bañ am loolu moo tax euh, donc ci côté boobu moom mën nañu gàcce ngalaama ministère de la santé parce que gunge nañu vraiment ci wàllu organisation bi yeneen service yi naka jekk euh, at bu jot comme ni ñu ko daan defee rek dañ ko defee ren donc ñoom tamit ñëw nañu gunge ñu. ci wàllu organisation bi lolou dal euh, ci gàttal lolou la amone limay wax ci wàllu organisation bi woon ni préparatifs dal daal ni doon déroulé mi ngi mi ngi koy déroulé ba légui xeyna dañu nek ci euh ci ci ci bis bi donc ñu def bilan donc il faut ñu génn bis bi doo mëna def évaluation doo def bilan mais lii may wax ni c'est peut-être euh, bilan à mi parcours lay doon rek. wa ñi ngi xaar cérémonie officielle bi euh, ci waxtu takusan 17 heures donc euh, waaye mise en place bi 15 heures donc 15 heures nous war nous euh, jël seen matuwaay fexe surtout la presse nous avons invité nañ gens ci la bi Nous avons vraiment mis euh, taxaw mise en place bi 15 heures pour nous mën a cérémonie officielle à 17 heures. effectivement euh, dañu jël suñu parce que at bu vous organisez organiser mbir da ngay def bilan def évaluation bo défé évaluation da ngay gis manquement yi manquement yoyu nak bokk na ci xat bi nga xamanté cellule bi xatoon nako légui ñu né donc il faut ñu yaatal cellule bi pour mëna gëna gën a li ñu dawoon li ñu daloon daaw ñu moytu ko ren loolu moo tax cellule bi ñu yaatal ko vraiment fexé ba ñi nga xamanté aussi ci kër gi lañ nekk te yoré fi ay euh, organe de communication lu melni ni TV lu melni ni Alkuntu TV ñoom ñëpp duggal seen loxo ci biir pour mëna euh, euh, côté communication le dispositif qui a été pris par euh, le comité d'organisation sous la direction du Khalif général des cadres Cheikh Al kunta donc a été très tôt de prendre les les devants avec l'organisation de d'un CDD d'un CRD etc qui a permis de regrouper tous les acteurs pour vraiment participer à euh, euh, pour participer à cette organisation du GAMU, de cette euh, édition, c'est-à-dire de cette 136 e édition, qui se déroule dans un contexte assez particulier de la pandémie de la Covid-19. Et raison pour laquelle c'est un contexte assez particulier est que très tôt, il fallait donc se rapprocher du ministère de la Santé, qui est le, qui, -à -dire, qui qui a mis une stratégie de lutte contre cette pandémie. Donc il fallait très tôt euh, collaborer avec ce, ministère-là pour mettre un dispositif sanitaire euh, qui nous permettra maintenant de pallier à toute éventualité de contamination ou de transmission ici à Ndiassan. Effectivement, tout est fin prêt pour la cérémonie officielle comme d'habitude, mais cette fois-ci, comme je l'ai dit tantôt, dans un contexte assez particulier, la cérémonie officielle va se dérouler de manière, euh, c'est-à-dire de façon restreinte. C'est-à-dire ce ne sera pas une cérémonie officielle qui se déroule euh, comme d'habitude au niveau de l'esplanade de la mosquée, mais aujourd'hui la cérémonie officielle se déroulera au niveau de la résidence du calife euh, à, huis clos pour que les gens puissent, pour éviter euh, un nombre assez affluent qui pourrait être avec euh, les recommandations que le Khalif avait données, de respecter les mesures barrières. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a jugé nécessaire d'organiser la cérémonie officielle euh, de manière restreinte. L'objectif, c'est de bien faire, c'est-à-dire c'est de voir que quand, quand, vous mettez en place une structure comme la cellule de communication qui est ici auprès du calife, et que vous avez travaillé l'année dernière et que vous avez vu après évaluation des manquements. Donc cette année, on a jugé nécessaire d'élargir cette cellule de communication en y intégrant des, euh, euh, euh, des personnels surtout de communication, c'est-à-dire des agents et des experts en communication. Et dans la, dans, la famille, il y a des organes qui, ont des, qui, ont, qui, qui, qui, sont dans le domaine de la communication, comme Yassan TV, comme al Kuntu TV, et, que c'est tous ces organes-là, il, il faut les inclure, il faut les associer pour que la cellule de communication puisse bien fonctionner.